Je vous annonce demain, après-midi à 16h, il y aura une manifestation à mon siège. À l'issue de cette manifestation, je vais accueillir encore de nouveaux candidats qui se sont désistés pour me soutenir. Ma coalition va devenir de plus en plus forte parce que tout le monde sait aujourd'hui que celui qui peut affronter Macky Sall au deuxième tour et gagner, c'est Madi Kenya parce que c'est un homme de consensus. C'est un homme qui est prêt à servir le Sénégal. C'est pourquoi je tends la main à tout le monde en leur disant mon plus grand combat, c'est de faire quitter Macky Sall le pouvoir. Je veux que le Sénégal puisse se débrasser de Macky Sall pour que nous puissions nous débrasser de nos souffrances et de nos soucis. Je candidat accord de principe daanu ñëw dellu sama coalition jàpp leen ni sama coalition bés bi nekk day gën yokk parce que ñëpp a xam ni man Sénégal laa bëgg jariñ ñëpp a xam ni dama tàllal sama loxo ñëpp pour liggéeyal Sénégal ñëpp a xam ni sama bëgg-bëgg yëpp mooy jële fi Macky Sall fexe ba Ablaye Wade dellu si si réew mi ñu teral ka fexe ba Karim Wade Khalifa Sall ñi ñu xañ seen droit ñoom ñëpp ñu delloo leen seen droit loolu mooy sama bëgg-bëgg